Quand une petite boîte est venue et m'a fait une pour dire qu'on a besoin de toi pour construire cette société pétrolière, cette société pétrolière avait poussé un conteneur. Ça veut dire un conteneur de il y a un On a repris cette société en 2008, après était à Londres et au Vietnam. Maintenant, cette société fait plus de 400 millions de bénéfices par mois, fait plus de 4 milliards de bénéfices par an devant toutes les multinationales qui C'est ça un défi. Prendre quelque chose pour amener à venir et le construire pour qu'il Et c'est la même visibilité avec les mecs. Si je voulais quelque chose de pacifique, c'est un sac dynamique. Le sponsoring de Gamma, je crois que j'ai participé à 99%. J'aurais pu militer là-bas. J'aurais pu militer au terrain avec Fallou ou bien faire. Mais nous devons le faire. Donc, le plus... il est temps que nous, les enfants de l'Office, nous, nous Donc, le défi que j'ai, on demande à tous les leaders de sport ñu ngi jégalu nag mënuñu dem comme grand Assane Paye moo koy dem seeti ñëpp parce que jamono dafa xat mënoo dem fokk fu ne il nga ñëw ñu ngi bi di waxee nit ñi ñoo war a ñëw indi seen expertise waaye bu ko nekk toog sa buntu kër naan kenn seet suma kenn gisuma Rufisque y a deux millions on demande à tout le monde ku bëgg na ñëw nga jaar ci nga liggéey boo ñëwee ngay liggéey fii les portes sont ouvertes euh, nous avons Assane plein de gens qui nous ont Nous avons pas Bamba Ndion Baskir Bamba, le dernier qui était à Midou, qui est l'administratif, qui nous a rejoint bénévolement. Donc je vois qu'il y a des jeunes qui sont ici, Khalif, Jules, Chéra et tous les jeunes qui sont de tout côté. Je veux dire que l'envie d'union, am na loo xam ne li ñuy wax anam ne boo keetal doo toog di xaar ñu jox la boo bëggee dara da ngay Tenir voilà un grand club. Je n'ai pas un club qui existe en deux ou deux, mais un club qui compte dans le paysage sportif sénégalais. Duma ku mën sa morom duma duma ku mën sa morom duma ni ku baax nga de moo tax ma bind la pancarte bi nag waaw ku liggéey fay ko nag waaw